muy def évolution maanaam ci maanaam ci wàllu xarañteef yu mujj yi moo xam ci wàllu armement moo xam ci wàllu logistique moo xam ci wàllu woto kon donc mën nañu wax ne que loolu dalal na xel Moussa. voilà dalal na xel vraiment. Nous sommes la section sécurité routière quand même de la gendarmerie. Euh, leur véritable mission veille quand même à la bonne circulation des véhicules. effectivement, ah, c'est le détachement de la euh, sécurité routière. Donc, sous les ordres du capitaine Malik Faye au niveau de la gendarmerie. Donc, euh, c'est également Placé sous les ordres du capitaine Baïka, abrite le centre de formation à la sécurité routière, destiné à préparer le personnels spécialisés dans la gestion de la sécurité routière, implanté à la caserne du général Wali le centre va accueillir le ah, personnel militaire et civil au commandement muy noonu nous na muy ay information day pour aider peut-être les euh, euh, internautes également les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout à travers le pays mais également dans la diaspora Nous avons des les informations idoines par rapport à ces images là yi nga des ne ñu koy gis ah, jëm ci euh, li nga Ah, articulé en quatre compagnies ici. Mhm. Donc, euh, les transmissions constituent l'arme du commandement. Mhm. Ça, il faut le dire. Donc, ce détachement est constitué de quatre unités. Donc, euh, appui l'appui au commandement au profit des forces engagées au niveau tactique, opératif et stratégique, appui logistique par l'équipement organique des unités, appui renseignement et guerre électronique pour fournir les outils d'aide à la décision. Donc euh, il y a l'appui du renseignement, de, euh, nouvelles fonctions opérationnelles les transmissions assurent également, suit la cyberdéfense conformément à la stratégie nationale de cybersécurité. Oui, non, non. Euh, intéressant, vraiment intéressant d'avoir ces informations sur ces moyens utilisés par l'armée, l'armée nationale.

Maintenant, de la paix, mais aussi en participant à la sécurité. Euh, donc au niveau du territoire national, également à l'extérieur, parce que vous ne faites euh, nos soldats, souvent, ils mener une mission vers l'extérieur, euh, sur des terrains. Voilà, nous sommes Premier bataillon d'artillerie. Oui, effectivement, là on voit défiler le premier bataillon d'infanterie qui est implanté depuis février 2012 au camp des Mamelles. Donc euh, ce bataillon, euh, il est constitué le 22 janvier 1961 euh, à partir des nouveaux éléments transférés de l'armée coloniale et de rapatriés du Congo. Et c'est consécutivement à l'écartement de la Fédération du Mali intervenu le 20 août 1960. Il est écrit son histoire de fort belle manière dans les opérations intérieures, mais aussi en participant à des missions sous bannière ONU, OIA et CDAO. voilà moi, lu am vraiment ay jumtukaay ayib euh, ci euh, yiñ di gis euh, la wax gis la bataille de Danki gis na

léeg ngay gis jiit la jiit mooy scorpion xam nga léeg saamaan saamaan di jaan ju euh, euh, euh, maanaam jaan ju jaan ju mag lii xaax la xaax ci wolof am picc la picc mu ndaw bu ñuy wax am xaax gis nga tey jàmboon jàmboon égar ak jàmboon di sunu cousin joolaa yooyu xam nga tey yii mooy li ma wax ni la ça maanaam ça nous permet maanaam de s'identifier ñu xam ni que ñun ay doomi réew mi lañu amul lu ñu ñàkk ci ay valeur gis nga jàmboon ak egen ci firiwaay bi lan la woon ñaari ñaari cousine la ñu woon kii joolaa la woon ki séeréer la woon te Aliou Seye la dame du Cabrousse moom mi nga xamante ne que tey bañ ko jëlee ci réew mi ci résistance face euh, à la colonisation lañ ko fi jëlee yóbbu ko fa la nga xamante ne que moom mooy Soudan ba tey dellusiwul tey bàmmeelam kenn xamul tey euh, tu kenn xamul tey euh, fan la nekk gis ngeen tey mu ngi noonu teen xam nga yii

Sénégal tey am nañu histoire boo xamante ne tey bu ñu am gàtt ci di ko nettali parce que li ñu ko ñagee mooy bravoure li ñu ko ñagee mooy ngor on nous tue mais on ne nous maamu yeeg ko njëkk incarné dans ce pays Voilà, l'ERNA. Ah, donc, euh, ah, ces noms-là qui nous euh, rappellent notre identité sénégalaise réellement. Hein, donc, euh, souvent, c'est une manière de rendre hommage également à des personnalités qui ont quand même servi la nation sénégalaise. Effectivement, également, les zones les plus reculées. Vous voyez ce véhicule du nom de Dilan lors des dernières opérations du Nord Mignola. Donc, c'est un village qui a été, par exemple, occupé par l'armée sénégalaise. Donc, ce vous effectivement, des noms personnalités, c'est effectivement des noms des villages les plus reculés du pays qu'on a donné à ces véhicules-là que vous voyez, des bataillons d'artillerie. Donc, c'est toujours le bataillon d'artillerie. Effectivement, effectivement. Le canon ça c'est le premier bataillon d'artillerie nouvellement créé. Donc, le bataillon d'artillerie est éclaté en deux. Maintenant, le deuxième bataillon d'artillerie se trouve au niveau du Louga. Donc, euh, le premier bataillon d'artillerie se trouve canon au, en œuvre du le d'artillerie l'ensemble des feux d'appui qui euh, se caractérise par la portée de ses canons, la permanence, la puissance et la diversité de ses feux en tout temps et en tout lieu. Donc, il y, a les batteries 105, la batterie 155, il y a les batteries LRM, lance-roquettes multiples, qui est une nouvelle acquisition aussi. moom li yéeme na góor li yéeme na torop Moussa dama bëgg sama xel dal na Moussa Moussa mu mel ni Sénégal euh, yabuñu ko de ku fi tàlle ndekkee omelette ba aña mbaxalu puuj paaj surtout ñun géwél li nga xam ne jàmm rek lañ bëgg ñii ñoo tax am réew bu amee jàmm dañu ko ñàkk réew yi néewoon doole yëpp seeni moromu réew dañ leen a nangu noonu la mos a demee ci àdduna

di nga ko l'opération Kaba Diawara en Gambie fi lañu fek l'armée sénégalaise a toujours contribué ci mission yu bare bare bare bare mais il a toujours été une armée exemplaire tey dégo ni solaaru Sénégal génn na bitim réew def lu mu war def même bu dee dañuy dem dañuy dem seen ñu wara débé ñi ñibbi si waat rejoindre les rangs kon tey dama wax ni cette soixante-troisième défilé est une fierté ah dinañu ñaan yalla c'est une réelle plaisir hein. un réel plaisir une fierté vraiment euh, sénégalaise aujourd'hui euh, d'assister à ce défilé hein, qui quand même. Euh, marque euh, la, célébration de la 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Ah, donc, comme l'a dit Bourguewel, euh, réellement, l'armée sénégalaise est sollicitée un peu partout en Afrique, même souvent même hors de, l'Afrique quand même, pour sa capacité de d'intégration également, et, mais, mais, également sa, capacité de veille hein, réellement euh, l'armée sénégalaise. Effectivement, l'armée sénégalaise est tellement sollicitée dans la sous-région. Euh, ils sont un peu partout, euh, au Mali actuellement, en Centrafrique également. Moi qui vous parle, j'ai été séjourné au Darfour, j'ai séjourné au Mali et j'ai séjourné au Congo. Donc, vous dire que l'armée est représentée un peu partout dans le monde, particulièrement en Afrique. Euh, c'est une formation vraiment euh, exemplaire euh, que ces soldats-là reçoivent quand même de, des rangs. Effectivement, de par la capacité de l'armée sénégalaise, sa capacité d'écoute, sa capacité d'intervenir. Donc, ce qui fait que l'armée sénégalaise est tellement sollicitée au niveau international et dans la sous-région même. Donc, c'est intéressant de le souligner souvent la contribution du génie voilà. des ressources naturelles. Euh, nous, oui, c'est toujours avec les génies militaires que vous voyez défiler les, véhicules euh, pour la préparation des terrains. Vous voyez, donc il y a même des véhicules pour euh, les puits, les forages et tout ça. Donc ça, c'est le génie militaire. Les armes, les armes lourdes Effectivement, pour préparer la guerre, donc en temps de paix,

Euh, bokku ci li nga xam nak nag euh, mooy firnde karanga rewmi ndax fu nek de ci rewmi mi euh, daanaka soldats yi duñ fa duñ fa duñ fa di gëj ah, ci yenn zone yi bo demee ci frontière yi ah souvent muy lo xam amna solo ci rew vraiment ñu am les moyens qu'il faut parce que lool rek mo meuna tax également ñu baña a nelaw également suñu lorier ah veiller quand même à la sécurité du pays gis nañ li ñu wër Sahel bi ah nga xam ay jamono ngi nii. la menace est réelle la menace voilà di fa ñu ah, ko fay seetlu ah ci dëkk yi ñu wër donc da ah, lu jaadu jamono ji ñu toll ñu jël disposition yëpp yi war ngir rek ah, firnde la puissance de feu du Sénégal. Euh, fexe rek ba tijji bët yi. ci képp koo xam ne rek bëgg na jëf ju ñaaw ah, nam na def jëf ju ñaaw bu ko defee ñu teel a jox mbir. di nga ko xalaataan Moussa.

ñu leen boole leen ci yenn mission ne xam ne Haïti lu mat fukki at ngi armée Sénégal wala gendarmerie nationale ñoo fa nekk tey demal Darfour ñaata at demal RD Congo conflit Côte d'Ivoire bi ak yeneen ak yeneen partout en Afrique fu fu fu dara amee ci àdduna bi armée Sénégal day teew ba ci barki dem gis nga siège bi nga xamante ne que laa na doomi Sénégal bokk na ñoom mi gën nañ leen bu ñu dem taxawu ñu naan moom mooy suñu mbokku turk yooyu kon damay wane ni que rek armée bi am na taxawaay bi mu war a am mel na ni mu war a mel te yor na doole ñu war a yor voilà euh, également j'entends parler de nouveaux engins ah, donc, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ah, donc, euh, Effectivement, ça c'est le bataillon de blindés euh, qui ne parle devise ou des Donc, ce bataillon de blindés, l'âme de la cavalerie sénégalaise, fierté de notre cavaliers, cavalier, défile cette année avec un détachement constitué de ces trois escadrons, dont un escadron éclairage et d'investigation sous les ordres du capitaine Moussa Cham et deux escadrons de combat commandés respectivement par le capitaine Alussar et le lieutenant-chef Ahmadou Bamba et un détachement logistique. Donc le bataillon de blindés est entièrement équipé de nouveaux engins blindés, roues, canons, de type BTL-02 matérialise la montée en puissance des forces terrestres. Ces engins blindés de dernière génération qui équipent le bataillon de blindés se caractérisent par leur modernité qui réside dans le blindage qui assure une protection des équipages, la puissance de feu redoutable avec un canon de 105 mm, la mobilité sur le champ de bataille et surtout l'effet psychologique sur l'adversaire. Avec ses moyens organiques, euh, c'est intéressant. Hein. Vraiment, c'est euh, intéressant. Euh, les critères, la capacité de riposte même de ces, de ces engins. surtout la, puissance de feu. Il faut également souligner la puissance de feu uh-huh. que le bataillon de blindés a pour le moment. Ça ne joue pas, hein Ah non, du tout. <laughs> ça ne joue pas, réellement. Il ne faut jamais jouer avec ça. Ouais, ça, c'est énorme, c'est énorme. Hein, avec un seul véhicule, uh-huh. on va bonjour les dégâts. Donc voilà. C'est bien de, se mettre à l'abri quand même, hein, de posséder ces engins quand même. Montre simplement que voilà, on est à l'abri. La guerre se prépare en temps de paix. Ah, c'est le mot mémotechnique quand même. La guerre se prépare en temps de paix. Après le détachement, ça c'est absolu. Vraiment intéressant.

moo xam Nations Unies moo xam conseil sécurité de l'ONU moo xam UEMOA ak lu mën doon tey taxawaayu Sénégal tey dañ ko fay de wala Njaay nag dafa ni lépp lu waaye di woote woo da nga koy bu ko c'est grâce à la discipline de nos hommes de troupe Moi, chaque jour may insisté naan leen mettons l'armée à dehors en dehors de nos débats crypto-politiques parce que nous avons toujours eu la chance d'avoir une armée républicaine donc taxaway dégg goo ñu ne ay nit a ngay manifester armée ba dóor na ci nit bal mu dé dégg goog fenn du dëgg dégg goo ñu ne di wa ngay manifester armée ba song nañu ay butiku jàmbur nang ko nous avons eu toujours la chance d'avoir une armée pacifique donc am réew dafa am loo xam ne ko amé dañ koy consolider wa dañ koy sauvegarder waaye les forces spéciales sont là les forces spéciales n'est-ce pas effectivement un détachement dont on ne peut pas en parler beaucoup donc, euh, comme son nom l'indique, euh, les forces spéciales. Donc, euh, ils sont en encagoulés, donc on ne peut pas voir les images. Ils ont une mission tellement spécifique, on ne peut pas parler de quoi. Donc, du point de vue de la sécurité. justement, uh-huh. c'est, une unité de réserve rattachée directement au président de la République. donc voilà c'est tout ce qu'on peut dire sur les forces spéciales. voilà